ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آه Le Centre islamique Sorna Fatoumata Yoflayen, Dakar. Le Centre islamique Sorna Matasek est un dara moderne qui offre à ses apprenants un accompagnement à la mémorisation du Coran. Une éducation islamique de base qui porte sur une connaissance théorique des piliers de l'islam, mais surtout sur leur pratique. Un cadre propice permettant aux parents de travailler toute la journée sans se soucier de la garde de leurs enfants qui passent efficacement leur journée dans un milieu où ils apprennent leur religion, mais aussi où ils acquièrent une formation scolaire normalisée. L'occasion de séjourner pendant toutes les périodes de vacances scolaires en pension complète ou en demi-pension pour apprendre le Coran, apprendre à effectuer convenablement les prières quotidiennes, apprendre à lire et à écrire l'arabe, des hadiths liés au comportement du jeune musulman, de son interaction avec la société, différents niveaux, préscolaire, élémentaire et la formation d'adultes la possibilité également de loger dans le centre pour bénéficier de l'occasion de mémoriser le Coran dans un temps minutieusement exploité. Au centre islamique Sornafat Fatoumata les apprenants sont initiés à la langue arabe et à l'apprentissage du Coran dès leur première année d'intégration. Le programme d'éducation nationale de l'enseignement scolaire y est également intégré dès leur deuxième année de formation. Le démarrage des cours pour la rentrée scolaire de l'année 2023-2024 est fixé au lundi 9 octobre 2023. Notre adresse, Yoflayen Dakar, téléphone 33 822 13 24 ou bien 77 528 94 04. Adresse mail ci na ngeen jël de lépp lu am noy bu leen ay nitam